le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalango au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Afani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berningauré, Chirozérine, Magaria, Mainasouroua, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Nous reprenons aujourd'hui notre série sur le bilan de l'année 2016 qui vient de s'écouler. Nous nous intéressons pour ce mardi 10 janvier au secteur de l'agriculture. Pour cela, nous ferons le point sur les résultats de la campagne agricole, une campagne, disons, excédentaire à en croire le bulletin de novembre-décembre du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Tchad-Niger. Le Niger a enregistré un bilan céréalier brut excédentaire pour toutes les céréales confondues de l'ordre de 224 585 tonnes. Mais attention, cet excédent cache d'importants besoins alimentaires dans les régions d'Agadez, d'Ifa, Tawa et Niamey. Quelques 837 villages déficitaires, soit 31% des, villageois, des villages agricoles suivis ont été identifiés dans le pays. Pour la région de Difa, par exemple, le nombre de villages déficitaires est estimé à 94 sur un total de 606 villages. 71 villages de cette région n'ont pas semé durant cette campagne contre 32 villages en 2015. À côté de ces résultats, nous allons passer en revue le dispositif mis en place par l'État pour accompagner les agriculteurs afin de les aider à faire face à certaines difficultés qui se sont posées au cours de l'année. Mauvaise répartition des pluies, ravage des ennemis des cultures ou encore conflits agriculteurs-éleveurs. Pour en parler le long des 45 minutes, nous avons comme invité le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger, Senan, M. Manou Badié, qui est aussi secrétaire général de l'USTN. Bonsoir Manou. Bonsoir. Et merci Merci d'être venu. Bonne année à vous. Merci. Un autre invité, si la ligne est bonne, depuis Dosso, le secrétaire général du réseau des chambres d'agriculture RICA, M. Elhaj Mokhtar Issouf. Oui, je disais que l'autre invité en ligne, c'est Elaj Mokhtar Issoufou, qui est le secrétaire général du réseau des chambres d'agriculture. Bonsoir euh, Mokhtar. El Mokhtar. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne euh, depuis Dosso. Merci de nous accompagner euh, le long de cette émission qui va durer quelques 45 minutes. donc, pour introduire, il faut dire que je disais tout à l'heure que le Niger a enregistré un bilan céréalier brut excédentaire pour toutes les céréales confondu de l'ordre de 224 585 tonnes. Euh, l'information est du bureau du bulletin du, de, de, OCHA, le bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Un bilan céréalier brut excédentaire de l'ordre de 224 585 tonnes. Alors, Manu, vous qui êtes euh, dans ce studio avec nous, comment il faut expliquer ce bilan Qu'est-ce que ça veut dire oui, merci. Euh, il faut dire que ce bilan, en fait, c'est la somme de toutes les productions au plan national, toutes régions confondues. Et donc, quand vous faites cette sommation, euh, évidemment, ça cache beaucoup de disparités. Les disparités, vous l'avez si bien dit, quand on prend une région comme Difa, où 71 villages n'ont pas du tout semé. vous avez des zones où, même dans la région de Tilaberi, ou en tout cas à Tawa. Nous allons suivre quelques régions. Voilà, où, vraiment les, gens n'ont pas du tout semé, hein. où ils ont semé à une reprise et ça n'a pas poussé. Donc c'est pour dire que quelque part, euh, d'abord 224 000 tonnes, c'est insignifiant pour le Niger en termes d'excédent. euh, il aurait fallu que ça soit plus important pour permettre même le rééquilibrage dans les zones où, en tout cas, il n'y a, pas grand-chose. Mais si c'est bien réparti quand même, c'est... Si, si c'est bien réparti, ça veut dire qu'au moins on a suffisamment à manger pour l'ensemble de la population jusqu'à avoir un petit, un petit surplus qui permet euh, de survivre en début de la saison prochaine. Donc c'est en fait ça la signification du bilan. Mais c'est pour dire que ceux qui n'ont pas pu produire, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas aussi les ressources pour pouvoir s'approvisionner hmm. sur le marché. au cas où, au cas où il y a des ressources, c'est pour dire que l'excédent, là où il y a un excédent, ça doit être mis sur le marché dans des zones où il y a eu un déficit. Donc, tant qu'il n'y a pas une, une, sorte de, gymnastique, en tout cas une organisation euh, à l'échelle de l'État où on rééquilibre justement pour approvisionner les zones de déficit ou les zones où les gens n'ont pas du tout produit, en produit de de base. Donc, c'est pour dire que quelque part, pendant que certains ont assez à manger, il va se trouver que d'autres n'en ont pas du tout. Ils n'ont pas le minimum vital. Hmm. C'est ça le. Nous allons parler de tous ces problèmes euh, le long de l'émission. On va permettre à El Mokhtar Issouf qui nous suit depuis Dosso euh, de, commenter cet excédent euh, céréalier 224 000. C'est excédentaire, c'est important comme excédent. Bonsoir. Euh, non, je, je, je, dirais comme Manu, c'est insignifiant. Ce résultat-là, je pense que résulte quand même de nos, de nos problèmes structurels euh, de, de, de, notre agriculture, euh, basant essentiellement de la pluviométrie. Ça fait trois ou quatre ans, si vous avez remarqué, que ce déficit-là est toujours euh, pas loin de zéro, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a un, léger, un excédent, il est léger, et puis le déficit est toujours chronique, surtout dans les zones pastorales. Hmm. Particulièrement, il y a quatre années de suite que il y a des poches de grandes, euh, de grands élevages qui, subissent vraiment un déficit chronique euh, en matière euh, euh fourragée. Donc, nous pensons que il est nécessaire de regarder bien comment est-ce que euh, face au changement climatique, face mm. au déficit euh, de pluviométrie, face à, nos marchés, face à nos, notre, à nos pratiques culturelles, comment est-ce qu'il faudrait, il faudrait s'y prendre pour nourrir quand même. Euh, oui, vous, avez commencé à, évoquer les causes. Quelles sont les causes de, ce, de cet excédent qui ressemble à un déficit Bon, moi je pense que il faut noter quand même qu'il y a un excédent. Oui. quand même un excédent théorique, euh, même si Man vous l'a dit. Mais je pense que euh, les causes sont structurelles, je vous dis, de notre euh, développement de notre agriculture. C'est-à-dire qu'on a le, problème des pluies qui sont mal réparties dans l'espace et dans le temps. Nous avons les questions de, de changement climatique. Nous avons la faiblesse de notre capacité de production. Nous avons des problèmes bien sûr au niveau des, semences, au niveau des intrants, euh, vraiment au niveau de nos marchés. Je pense que c'est tout ça qui fait que aujourd'hui euh, notre agriculture souffre de ce, déficit qui devient de plus en plus chronique et permanent. Merci pour ces commentaires Nous allons suivre, hein, selon, nous allons prendre deux régions pour illustrer cette euh, campagne dont on considère déficitaire. Nous allons commencer par la région de Tilaberi, euh, où il y a eu, le bilan a été dressé euh, euh, après que le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Tidjani Idrissa, ait sillonné, disons, toute la région. je vous propose de le suivre sur la campagne agricole de la région de Tilaberi. Sur les 2000 villages agricoles de la région, 773 villages sont déficitaires, soit 38,65% contre 58% en 2015 sur le plan pastoral. Le disponible fourragé pour l'effectif résident UBT de 2 687 481 et de 2 218 tonnes de matière sèche pour un besoin fourrager de 4 718 tonnes, d'où un déficit de l'ordre de 2 350 027 tonnes de matière sèche. À la lumière des résultats ainsi enregistrés, les populations ont fait un ensemble de propositions dont entre autres la poursuite de l'opération bouture de manioc, l'intensification des cultures irriguées, la restauration de l'environnement à travers des actions à haute intensité de main-d'œuvre, la poursuite des opérations vente de céréales à prix modéré et d'aliments, ce qui à terme devrait permettre une amélioration de la situation alimentaire. Voilà le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Tidjani Drissa, qui euh, dressé le bilan de la campagne agro-silvopastorale 2016-2017 euh, dans la région de Tilabiri. On va suivre notre ministre, le ministre Youssouf Barkay, qui lui a sillonné la région d'Agadez. Voilà ce qu'il dresse comme bilan de cette campagne. Au plan agricole, la production est nettement en deçà des attentes des agriculteurs. Cette situation est due à la mauvaise répartition des pluies au retard accusé dans le placement des intrants, mais également aux inondations enregistrées et aux écoulements de courriers dans certaines localités. Il ressort que 129 villages sont déclarés déficitaires sur les 267 villages agricoles, soit 48% pour une population estimée à 100 418 personnes. Au plan pastoral, le déficit fourrager est estimé à 269 913 tonnes de matière sèche soit 35% des besoins. En effet, pour un besoin fourragé estimé à 765 580 tonnes, il n'a été enregistré que 495 667 tonnes. Cette situation déjà déficitaire sera aggravée par la pratique de ramassage de paille de plus en plus courante. Voilà le ministre euh, Barkay, Youssouf Barkaï, faisant le bilan de la campagne euh, agro-silvopastorale euh, à Agadez. Euh, alors, vous, allez, vous allez suivre, on va suivre euh, d'abord euh, Manou qui va commenter ces, les résultats de ces différentes régions. Vous l'avez déjà dit, c'est un excédent qui est malheureux parti. C'est le cas à, oui, à Tirabiri et à Gadez. Maintenant, la question peut-être, comment utiliser cet excédent si non, e- pour... E- excédent, c'est certain excédent théorique comme on a dit. Ça veut dire qu'on a produit un peu plus que ce dont on a réellement besoin pour finir euh, au jour zéro euh, avec euh, production zéro. Donc c'est pour dire qu'on a produit un peu plus. Donc c'est pour dire que il ne faut pas trop se réjouir pour espérer que c'est un excédent où il faut trouver un moyen de réaménager. En fait, même ceux qui ont un excédent, ils ont besoin de réserves. Vous savez que le producteur a toujours besoin des réserves. Donc c'est pour dire que cet excédent peut ne même pas être sur le marché. En fait, il, n'est même pas véritablement disponible parce qu'il n'est pas C'est pas très très significatif en termes d'excédent. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand vous regardez des régions comme Tilaberi, avec euh, près de 38% euh, d'excédents et enfin de, de déficit, euh, Agadez, qui n'est même pas une zone véritablement agricole. Donc c'est pour dire que quelque part, en fait, c'est parce qu'on s'apaisantit beaucoup plus sur la, la, la, pluie. notre espoir repose beaucoup plus sur la pluie. Or, le président de la République avait annoncé en début de son premier mandat qu'il faudrait plus qu'au Niger que le déficit pluviométrique soit synonyme de, famine. Tout simplement pour dire qu'il ne faut pas compter à 100% sur les pluies. Il faut qu'on déploie des moyens nécessaires pour qu'il y ait des appoints en irrigation. C'est pour dire que dans une région comme Agadez, en fait, on devrait beaucoup plus compter sur les eaux d'irrigation que sur la pluie. Il faut mettre le paquet là-dessus. C'est la même chose, la région de Tilaveri, c'est la vallée du fleuve Niger. Sans compter qu'on a des réserves d'eau du sous-sol où il faut exploiter. C'est pour dire qu'il faut mettre le paquet sur le fait qu'il ne faut plus que la pluie ne représente qu'une partie des besoins en eau de nos agriculteurs. Le reste étant comblée à travers l'exor, à travers l'exploitation des eaux de surface et les eaux, les eaux souterraines. Alors, 120, 200, 200, 224 000, tonnes, c'est pour dire qu'en fait, une seule région peut le consommer, même si c'est un excédent. Si vous l'amenez à Tilaberi, ça va, ça va disparaître en deux temps, trois mouvements. on n'allait même pas sentir qu'il y a un excédent. Si vous l'amenez à Agadez, ça va nous sommes dans le cadre d'un déficit. Voilà. Si on fait le croisement avec les autres oui, régions. Oui, ce qui est sûr, dans beaucoup de régions, le déficit est là, il est réel il n'y a pas un mécanisme qui permet de prendre l'excédent de la région où c'est produit pour amener, en dehors bien sûr de la constitution des stocks de sécurité que le gouvernement On va, fait on va revenir aux solutions. voilà, donc c'est pour dire que le réaménagement, le marché à lui seul ne peut pas réguler ça. D'accord. C'est clair que vous allez constater que les prix des céréales cette année il va être vraiment, va, il, va, il va monter en flèche. On aura un élément illustratif sur voilà. prix des céréales. Merci Le temps d'écouter Issouf euh, qui, qui, nous, qui, nous, écoute en ligne. Euh, Monsieur Issoufou, Comment utiliser cet excédent C'est la question que j'ai posée à, Manou Badier du, du, syndicat national des agents de l'agriculture. Vous qui êtes du réseau des, chambres d'agriculture, comment vous, pensez solutionner ça Bon, comme euh, Manou vous l'a dit, moi je suis d'avis avec lui, c'est-à-dire que c'est un excédent théorique. Hein. Ce n'est pas forcément un excédent qui va venir au marché. Mais quand même, euh, je pense qu'il y, a des efforts qui sont faits dans le cadre des achats institutionnels Aujourd'hui, il y a quand même euh, des contrats avec les, organisations de producteurs et les dispositifs nationaux de, de crise alimentaire. Ça, procède quand même euh, d'une protection quand même de la production. Concrètement, comment, comment ils font J'ai dit qu'il y a des achats locaux qui sont faits avec euh, dans le cadre du renouvellement de la réserve alimentaire par l'OPVN. Euh, l'État est en train de, de, programmer d'acheter avec les producteurs. Bon, mais malheureusement, vous savez aussi, euh, les ressources ne viennent pas quand on les prévoit. Normalement, ce sont des achats qui devraient être faits au mois juste d'octobre, novembre. Mais jusque-là, ça, s'attarde à venir. Mais euh, moi, je, ne pense pas que ça peut être une solution immédiate. La solution immédiate, c'est développer l'irrigation, c'est développer les cultures de contre-saison dans cette période-là c'est ça qui va donner quand même un appoint qui va renforcer, qui va donner de la résilience aux, ménages et permettre aux producteurs d'avoir des ressources pour faire face aux besoins de leur, euh, de leur vie quotidienne. C'est ce que le réseau est en train de faire avec d'autres partenaires Le Le réseau, j'ai dit le gouvernement est en train, à travers les dispositifs d'affaires, de, de, faire les achats locaux. Ils ont déjà signé des, contrats avec les, les organisations de producteurs pour essayer de prendre cet excédent-là pour ne pas qu'il soit bradé ou qu'il ne parte pas dans une autre destination. Mais euh, nous pensons, comme l'excédent lui-même, il est léger, nous pensons que la meilleure façon de, de, consolider la situation des producteurs, c'est, comme il l'a dit, c'est de développer les activités d'irrigation dans cette période de fraîcheur qui puisse permettre de faire des cultures maraîchères à haute valeur marchande qui peuvent euh, remplacer ce déficit-là. Vous, vous êtes aussi un acteur de la question. Euh, comment vous cherchez à solutionner ce problème Ah, bien sûr, on est acteur parce qu'on est quand même dans la, représentation de la profession agricole. Mais pour vous dire que il n'y a jamais eu avant les achats institutionnels au niveau du dispositif, avant au niveau de l'OPVN, les achats se faisaient avant, ils venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, on est en train d'amorcer le virage. Euh, il y a même des contrats qui sont signés entre les organisations des producteurs dans les zones, bien sûr, excédentaires. Je dis bien dans les zones excédentaires. Parce que dans les zones où il y a des déficits, ce n'est pas la peine d'aller éroder le, le grenier du producteur. C'est dans les zones où il y a excédentaires. Il y a déjà des contrats qui sont signés avec les organisations des producteurs pour racheter euh, l'excédent, cet excédent-là, pour le mettre dans la réserve alimentaire et pour qu'on les dans les moments les plus difficiles pour également permettre aux producteurs de les racheter à un prix euh, subventionné. Alors, les autres solutions qui ont été proposées, quand on écoute le ministre Atilabiri, c'est par exemple la poursuite des opérations de vente à prix modéré ou les cultures irriguées. En quoi est-ce qu'elles peuvent aider les agriculteurs Oui, bien sûr que les cultures irriguées peuvent aider parce que de toutes les façons, le, producteur, pour être résilient, il a toujours cherché, il a des capacités à s'adapter notamment, mais malheureusement, ces capacités sont faibles ou sont, surestimées. Euh, les cultures irriguées sont vraiment un des points, nous pensons, un des axes forts qui peuvent permettre dans des zones euh, de déficit, de permettre aux producteurs de s'adonner aux cultures euh, irriguées qui peuvent leur permettre de procurer non seulement de l'alimentation, mais également des revenus mais ces cultures irriguées peuvent être étendues à des cultures euh, euh, fourragères irriguées, pourquoi pas, ce qui peut également donner à certaines zones où il y a des déficits fourragers vraiment des possibilités d'avoir des appoints alimentaires pour le détail. Ça peut le combler Bien sûr. Nous revenons à votre... oui, mais pour le combler, pour le combler finalement, tout ce qu'on est en train de dire, c'est des actions d'accompagnement. Mais pour les combler, il va falloir, euh, comme le, le, le, temps le fait, il va falloir certainement voir comment est-ce que, euh, bien sûr, euh, il faut importer quand même ça. exemple, même si nous oh, produisons, nous rachetons le riz local qui est là, nous pensons que c'est une solution. Et en plus du, du riz local, mais les besoins nouveaux, il faut, il faut, il faut, les, il faut le combler par, bien sûr, par des achats institutionnels. Nous allons revenir au studio. Vous, restez en ligne avec nous, euh, El, Mokhtar. Euh, nous revenons avec Manou Badié, qui est agent d'agriculture, secrétaire général du syndicat national des agents euh, d'agriculture du Niger. les solutions préconisées, c'est culture irriguée, opération vente à prix modéré de céréales. Prenons les cultures irriguées. Ça fait, comme le problème est structurel, ça fait longtemps que c'est expérimenté en quoi est-ce que ça peut contribuer à combler le déficit et pourquoi ça ne l'a pas fait depuis longtemps Non, absolument. Les, cultures irriguées peuvent permettre de combler une bonne partie, en tout cas, du déficit. Hein. Sinon, en tout cas, au cas où même il y aurait un déficit, euh, imaginez que, euh, d'abord, quand on fait l'évaluation des villages à risque ou les villages vulnérables, ce sont généralement ceux dont le déficit dépasse les 50% qui sont comptabilisés. C'est-à-dire que ceux qui ont de, l'ordre de 20 à 30 de déficit. Ceux qui ont produit, ceux qui va leur permettre de vivre 8 mois ou 10 mois, ne sont pas considérés comme étant déficitaires, bien qu'ils ont quelques mois à combler. Donc, c'est pour vous dire, voilà, c'est pour vous dire que la réalité dans les faits, c'est qu'on ne produit pas assez pour se nourrir et pour combler. Vous savez que nos, nos, vaillants producteurs euh, passent 4-5 mois maximum en hivernage en train de travailler. Les, les autres 6-7 mois, en fait, ils n'ont rien à faire et vous avez beaucoup de bandes dans notre bande agricole, dans notre sud du Niger, où vous avez des grandes étendues d'eau, y compris la vallée du fleuve Niger et les Goulbi et autres là, où vous avez des grandes étendues d'eau qui sont sous-exploitées. Malheureusement, ce qui nous manque au Niger, c'est qu'on n'a pas suffisamment aménagé sur plus de 300 000 hectares aménageables, on a environ 100 000 qui sont aménagés. Et ça, ça, date de très longtemps, c'est à travers l'ONAHA. Et malheureusement, ces terres sont beaucoup dégradées. Il faut les réhabiliter. Quand on va les réhabiliter, on va se produire assez de riz. Le riz a cette chance-là, on a cette chance-là de produire deux fois par an. Vous imaginez sur la même surface, vous produisez deux fois. Donc, c'est un, potentiel qui est là, qu'il faut mm. valoriser. Vous L'État se débrouille. Non, vous savez, l'État fait, c'est vrai, avec les moyens de bord. vous savez, ce qu'on a toujours déploré, je vais vous dire, ce qu'on a toujours déploré, nous, en tant qu'agents d'agriculture, aujourd'hui, il n'y a pas une mise en cohérence des interventions. Les agents d'agriculture qui sont sur le terrain ne sont utilisés que par des projets. L'État à lui-même n'a pas de programme d'appui conseil où un agent est censé aller encadrer des producteurs avec les moyens de l'État. Il n'y en a pas. L'État a démissionné. L'État a démissionné de l'encadrement des producteurs. Il n'y a que quelques projets qui interviennent. Et là où il y a des projets, c'est eux qui ont un peu de carburant qui donnent aux agents avec des frais d'émission, des frais de déplacement. Les agents se déplacent au niveau des sites qui sont suivis, où on place des semences. Et voilà, l'État, ce qu'il fait, c'est qu'on place souvent des semences pour ce qui est de l'hivernage. On fait des facilitations pour l'acquisition des engrais et pour les pesticides qui sont plus ou moins gratuits en ce qui concerne les interventions des grandes envergures. Mais en dehors de cela, vous n'avez pas un programme à proprement parler d'appui conseil ou les agents, un agent d'agriculture qui a 50 ou 70 villages à encadrer, qui a un programme au cours de l'hivernage pour dire voilà au cours de cette campagne ce que je veux faire comme travail. Tout simplement parce qu'il ne reçoit aucun moyen de l'État, il ne reçoit pas le carburant, il n'a pas un plan de travail qui lui permet de faire le travail, il n'est que sollicité ponctuellement par les différents projets et les ONG qui interviennent dans les localités. Mais et ça, il faut changer ça. Le déficit, ça ne date pas de... C'est vrai, il y a des causes Le déficit ne pas de maintenant. C'est pour dire que il faut valoriser les réserves, les eau, les étendues dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour les valoriser, vous savez que les producteurs sont habitués à semer en hivernage. Les cultures d'hivernage n'ont pas les mêmes exigences que les cultures, les cultures irriguées. Les cultures irriguées ont besoin d'un encadrement rapproché, d'un suivi pour les producteurs. Donc, il faut les suivre. Il faut qu'il y ait des techniciens avec eux pour leur indiquer comment techniquement, l'itinéraire technique pour produire la pomme de l'itinéraire technique pour bien valoriser le manioc. Les producteurs, ils vont, ils, ils plantent les, les, les, boutures de manioc, ils les oublient pendant un temps. Or, il y a un accompagnement qu'il faut pour bien valoriser, pour que le, réceptacle produise, les racines soient à l'aise pour se développer. Il y a un travail à faire. Donc, il y a tous ces aspects-là. Quand vous imaginez beaucoup de cultures qu'on peut valoriser à haute valeur, comme on le dit ici au Niger, le poivron, euh, vous avez le maïs, vous avez euh, la pomme de terre, vous avez toutes ces cultures-là. Il y a des itinéraires techniques qui doivent être suivis. J'ai dit bien en dehors des sites qui sont suivis, pas des projets et certaines ONG. Malheureusement, l'encadrement a disparu, l'État a pratiquement démissionné. Pour valoriser, il faut, valoriser les terrains. il faut, les il valoriser les terrains. Il faut valoriser les ressources en eau. Il faut aussi occuper les producteurs. Surtout, il faut les encadrer pour qu'ils exploitent à bon escient les, ceux qu'ils ont. Et il faut une mise en cohérence les projets. Vous allez voir, il y a deux ou trois projets qui interviennent dans le même village. Il faut la même chose. Or, s'il y a une mise en cohérence, s'il y a une concertation il y a des cadres où les gens arrivent à, faire des programmes cohérents, des programmes vraiment sous l'égide du gouvernement, on peut effectivement éviter la déperdition des énergies pour rationaliser. Peut-être que El Mokhtar, qui nous suit en ligne, va peut-être donner beaucoup. De... Il travaille avec ses projets. Le RECA est une structure reconnue pour ça. Absolument. Euh, Monsieur El Mokhtar, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour justement que. Euh, euh, ces solutions comme culture irriguée et leur impact sur le terrain, en relation avec l'État, en relation avec les bailleurs de fonds Allô Oui, El Mokhtar. Oui, vous disiez Je posais la question sur euh, la, culture irriguée comme solution. Qu'est-ce que hmm. vous êtes en train de faire avec les bailleurs de fonds, avec l'État, pour que les cultures irriguées soient une solution euh, euh, au déficit alimentaire que nous connaissons depuis longtemps Chaque année pratiquement. D'accord. Donc, pour les cultures irriguées, nous, nous pensons que c'est une alternative crédible. Parce que nous avons des terres de bonne qualité au Niger. Nous avons euh, euh, des ressources en eau souterraines de qualité qui peuvent permettre de développer l'irrigation. Et pour faire le développement de l'irrigation, comme l'a dit Manu tout à l'heure, il faut le financement, il faut le conseil agricole, qui sont vraiment les pièces maîtresses, et il faut les marché. Malheureusement, sur ce point, euh, l'État a démissionné, si j'en crois à Manu. Bon, oui, euh, bien sûr que le conseil agricole est par terre, la, recherche agricole est par terre. Mais au niveau du RECA, nous sommes en train de développer cet tapis conseil-là. Nous sommes en train de développer le conseil de gestion dans des exploitations familiales agricoles dans les régions de Maradi, Dosso, euh, Zender, euh, IFA, à travers bien sûr des programmes avec les partenaires qui soutiennent le développement agricole du Niger. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de développer également des partenariats avec certains partenaires, notamment le FIDA pour le développement des marchés, des plateformes de marchés intégrés, euh, des marchés qui peuvent permettre, si vous voulez, de, tirer la production vers le haut, que ce soit la production pluviale, mais également la production irriguée. Euh, donc, ces plateformes sont en train de, de se mettre en place. Récemment, il y a eu l'inauguration hein, à, euh, à Giratawa. Hmm. Il, y en a beaucoup, il y en a certains dans certaines régions du, pays. Il y a des cas qui, qui, donnent, qui, qui, vous donnent espoir que demain ça peut changer Ah oui, absolument, absolument. C'est ce qu'on appelle les plateformes Hadjunguiwa euh, qui sont en train de se, de, se, mettre en place dans les régions. Et nous, nous, pensons que euh, les, les trois domaines que j'ai cités, le financement, le conseil agricole et le marché. Une fois qu'on euh, produit, une fois qu'on euh, que, les producteurs sont euh, euh, appuyés sur le, le, conseil, euh, une fois que ces marchés sont constitués et que constituent des vrais, des, des, des, des vrais cadres d'échange d'offres et de la, de la confrontation d'offres et de la demande, cela permettrait vraiment d'améliorer de production, mais également de permettre de les écouler. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut bien produire pour mieux vendre. D'accord. L'autre solution, c'est la vente à prix modéré. Ça, c'est beaucoup plus immédiat. Bon, en quoi est-ce que ça peut soulager Est-ce que ça fait ça, ça ses C'est des zones, vulnérables. On essaye de, soutenir les populations, les ménages à faible revenu. Moi, je, crois que ça, ça doit être une, une mesure euh, conjoncturelle qui peut permettre de sortir des gens, euh, de relever les, ménages de l'urgence. Mais nous pensons que pour le développement, c'est vraiment le, véritable développement des chaînes de valeur dans les cultures irriguées peut permettre d'inverser la tendance, hmm. de, produire plus en culture irriguée. Maintenant, la, la pluviale, quelle que soit la situation, on obtiendra ce qu'on obtiendra mais euh, nous pensons qu'il faut beaucoup s'appuyer sur, le potentiel que présentent les cultures irriguées. il y a des régions qui s'illustrent Pardon Vous avez des illustrations avec des régions Ah oui, mais vous avez aujourd'hui, quand vous allez à Maradi, vous allez à Zender, vous allez euh, même à Tilaberi, tout le monde sait que les cultures irriguées ont pris l'ampleur, mais il faut organiser ça, il faut structurer ça, il faut orienter tout ça vers le marché les acteurs doivent euh, être renforcés, notamment l'un des premiers acteurs dont a parlé Manu tout à l'heure, ce sont les services agricoles. Il faut développer la capacité de nos services agricoles, il faut développer la capacité des services d'appui conseil des organisations de producteurs, il faut développer les infrastructures routières qui relient les marchés, par les pôles de développement économique. Mm. Et je pense que une fois que cela est fait, euh, tout ce qu'on aura produit sera absorbé mais également il faut chercher la qualité dans la production. D'accord. Nous allons, je vais vous proposer, on va suivre ensemble hein, un autre élément sur euh, les systèmes d'information sur les marchés agricoles. Et dans le bulletin hebdomadaire du 28 décembre au 3 janvier, il annonce une légère augmentation des prix des céréales. Peut-être c'est dû à l'excédent. On va écouter ce papier préparé par Rahilat Soumana sur la voie de Habibou Garba. Selon le CIMA, les prix moyens du mille et du sorgho enregistrent un léger accroissement hebdomadaire de 2% chacun. Pour le mille, le prix moyen national du sac de 100 kg s'établit actuellement à environ 18 500 francs CFA contre 18 000 francs CFA et pour le sorgho à environ 17 000 francs CFA contre 16 500 précédemment. Le prix le plus élevé pour le mille et le sorgho est enregistré à Ader Business où le sac de 100 kg de mille coûte 24 000 francs francs CFA et celui du sorgho à 22 000 francs CFA. Pour le sorgho, le marché de Tchadoua Agué pratique le prix le plus bas à 11 500 francs et celui du Mille et à 15 000 francs CFA au niveau des marchés de Matame et Kirtachi. Toutefois, le prix du maïs et du riz importé reste stable comparativement à la semaine passée. Voilà le prix du, euh, par euh, le système d'information sur les marchés agricoles. Manou Badier, euh, vous qui êtes agent d'agriculture et vous représentez le syndicat national des agents d'agriculture, vous êtes, ces prix vous étonnent 24 000 pratiquement en période de, récolte, oh, voire 11 000 dans les vous ai dit en, début de ces entretiens que les prix des céréales vont, certainement... Pas, ça confirme la théorie de l'excédent. Oui, évidemment, euh, l'excédent est simplement théorique. Et je voudrais profiter pour répondre à une des questions que vous avez posées à M. Mokhtar par rapport à l'utilisation de, la vente à prix modéré. Vous savez, la vente à prix modéré, c'est une technique conjoncturelle. C'est une mesure conjoncturelle que les pouvoirs publics prennent pour justement disponibiliser les céréales dans les zones où il n'y en a pas du tout sur le marché même. Il n'y en a pas sur le marché. Ou même quand c'est disponible, ce n'est pas accessible. Le prix est tellement élevé. Donc c'est pour dire que quelque part, il aurait fallu qu'on produise quelque part. Et si au plan national, il n'y a pas de réserve nécessaire pour compenser le déficit de certaines régions, comme il l'a dit, il faut importer. Or, l'importation aussi, on connaît tout ce qu'il y a autour du risque. C'est des devises qui sortent, on n'est pas sûr de la qualité et on n'est pas sûr aussi de là où on veut importer s'il y a une production. Donc c'est pour dire que quelque part, il faut, limiter autant que faire se peut les importations. Et pour limiter, il faut nécessairement produire. Et donc en ce qui concerne les prix, des céréales, évidemment, il y a une envolée déjà. nous ne sommes, nous sommes qu'en début d'année, nous ne sommes qu'à deux mois de la récolte. Et vous voyez déjà l'envolée des prix. C'est parti. Imaginez d'ici le mois de juin, juillet, août, euh, au moment où pratiquement les réserves sont finies partout, les paysans attendent le mille est en pleine végétation. Euh, à quel prix on va acheter le mille cette année Dieu seul le sait. On souhaiterait que, surtout que, bon, c'est le marché qui régule les choses. Euh, les filières ne sont pas très très organisées malheureusement chez nous. Les producteurs en savent quelque chose. Nous avons toujours interpellé l'État pour dire qu'il faut organiser les filières agricoles, de ne pas laisser le marché, notamment les commerçants, qui font ce qu'ils appellent euh, le, stockage, on achète à bas prix à la récolte, on va en cache jusqu'à créer la pénurie sur le marché et sortir ça et faire des prix vraiment exorbitants. L'organisation des est nécessaire. L'organisation des filières est nécessaire. C'est pour ça que cette technique justement de vente à prix modéré, elle est importante. Si l'État arrive à signer des conventions avec des regroupements des producteurs, des organisations des producteurs, pour s'approvisionner dans les zones où il y a un excédent, c'est déjà bien. Si l'État peut avoir un droit de regard sur les importations de riz, qu'on ne laisse pas tout aux commerçants qui font tout ce qu'ils veulent, ça va avoir un impact positif, en tout cas pour les producteurs, pour les consommateurs en général. Donc il faut le faire, c'est ce qui va réduire un peu la flambée des prix. Et comme on l'a toujours dit, il faut nécessairement investir dans la production. On peut produire les autres cultures, même qui, qui, ne sont pas alimentaires, enfin qui ne sont pas euh, des céréales. Quand vous prenez les tomates, quand vous prenez le poivron, quand vous prenez l'oignon, leur exportation permet à ceux qui les ont produits de s'approvisionner en céréales. Donc, c'est des cultures qui ont une haute valeur marchande. Il suffit que ces filières-là soient suffisamment bien organisées pour que le producteur, quand il investit son argent, il produit, qu'il soit rémunéré à la hauteur de son, mmh. investissement. Et l'État peut également favoriser l'éclosion de l'entrepreneuriat agricole qui va être la base. Avec les propositions avec El Mokhtar, qui nous, voilà. qui nous depuis Parce qu'il faut, il faut nécessairement aller vers la transformation. Et la transformation, c'est ça qui pose les bases de l'industrialisation. El Mokhtar, euh, vous avez suivi les, prix des céréales. Oui, vous avez suivi les prix donnés par le CIMA, le système d'information sur les marchés agricoles. Ah. Dans certaines zones, c'est pratiquement 24 000 francs le sac de, 2 000. Dans les zones où euh, c'est beaucoup moins cher, c'est 11 000 francs. Quel commentaire vous en faites ça veut dire que le, déficit n'est que théorique, comme vous l'avez dit. Ça confirme cela Oui, bon. Euh, maintenant, je pense que quand même, euh, la, meilleure euh, opportunité qui soit on dans l'espace CDAO, on de dans l'espace IOMOA. Rien n'interdit. Et vous vous rappelez que le Niger occupe quand même le lead dans à l'IMOA dans la sécurité alimentaire. Rien n'interdit quand même que dans la, en termes de solidarité régionale, que les, zones déficitaires euh, euh, soient approvisionnées par les zones excédentaires. Euh, je pense que. Oui, mais quand l'excédent lui-même est minime La solidarité doit se jouer au niveau de la CDA de l'UMOA en termes de. d'un pays à un autre. D'approvisionnement <coughs> régulier de nos marchés. Alors, Manu a proposé une autre solution, c'est l'organisation des filières. C'est de, ah une de vos activités. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Cela n'exclut pas euh, moi, je, ce que je vous ai proposé, c'est juste conjoncturel. Mais quand même, la solution durable, c'est entre autres ça. Ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure, que euh, quand on parle de développement des cultures irriguées, ça ne veut pas simplement dire il faut arroser la mmh. plante et puis mmh. bon, voilà. Non, c'est la filière, c'est le chaîne de valeur agricole dans les cultures irriguées qu'il faut développer. expliquez-nous comment ça veut dire. Qu'est-ce que ça De la semence jusqu'à l'emballage en passant par le provisionnement, en passant par le conseil, en passant par le, traitement, en passant par les, itinéraires, techniques, en passant par les marchés. Donc c'est pour vous dire que c'est toutes les chaîne de valeur agricoles, des cultures irriguées, qu'il est nécessairement important de refonder et euh, d'appuyer, pour, de renforcer pour que ces filières-là soient des filières porteuses de manière durable. Et c'est ce que vous faites au RECA, hein ah, C'est ce que nous essayons de faire dans toutes les régions avec nos maigres euh, ressources. Mais vous savez, les défis sont majeurs. Hein. Ce n'est pas. Il y a, y a, y a quand même des résultats, qui, y a des résultats qui sont démontrer y a des démontrés, oui. On est en train de développer le conseil de gestion. On est en train de développer le conseil de gestion conseil de gestion. On est en train de vouloir développer le crédit agricole en collaboration avec euh, le Haut Commissariat à l'initiative 3N et avec la Bagri pour essayer de, de montrer que l'agriculture est une activité est une activité qui peut porter des fruits, qui peut qui est rentable euh, mais à certaines conditions. Le crédit agricole, ça concerne tous les producteurs Et comment ça se fait Est-ce que tout le monde est dans ce... Euh, non, ça, ça concerne certaines zones notamment à Difa, Ender, Maradi, tout ça, où les gens aujourd'hui ont, vraiment sont en train de prendre des crédits euh, des entreprises agricoles qui sont en train de vouloir se créer. Mais vous savez, la, rentabilité en agriculture, elle, prend du temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est immédiat comme vous pouvez acheter et vendre au marché. Mais il faut d'abord rentabiliser les facteurs, réduire le coût des facteurs de production. Mais de façon générale, quand on parle de la masse paysanne, comment vous étendez vos actions Comment quand, on parle de la masse paysanne dans son ensemble. Oui, mais vous savez, les chambres d'agriculture se reposent d'abord sur les organisations de producteurs. C'est à partir des organisations de producteurs que nous essayons euh, de toucher directement les petits paysans, les petits éleveurs pour améliorer sa situation. Euh, et ça, nous sommes en train de se débattre pour démontrer que cela est possible. Ok, nous allons Merci pour ces précisions. Vous restez en ligne. Euh, Monsieur Manou, euh, nous allons avec vous il y a cet autre aspect-là dans le déroulement de la campagne qui a, qui a beaucoup joué sur euh, le déroulement de la campagne agricole, c'est euh, les ennemis des cultures. On a vu euh, la situation, c'était dans presque toutes les zones et c'est un des facteurs de, de, ce, de, ce, déficit qui ressemble à un, à un excédent alors, euh, comment euh, vous, vous êtes agent d'agriculture, comment est-ce que cela a joué dans, dans, les résultats mais, mais, il faut dire quand même qu'en ce qui concerne les ennemis des cultures, les dispositions sont prises toujours en début d'année pour disponibiliser les produits phytosanitaires. Les producteurs sont préparés, les appareillages et autres sont disponibles. Les dispositifs mis en place les dispositif est sur place. Vous avez des avions qui font des interventions. Renseignez-vous dans la région de Tilaberi, région de Tawazender. Des avions se sont, ont été déployés, sans compter les camions et les, et les producteurs eux-mêmes, les brigades villageoises d'intervention phytosanitaire. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle le criquet sénégalais qui est un criquet qui se reproduit trois fois au cours de la saison des pluies et qui remonte, qui commence au sud, qui remonte au nord et qui redescend en fin de saison des pluies. Et donc ce criquet-là, il surprend en fin de saison des pluies parce qu'il redescend quand la zone septentrionale commence à sécher et quand il descend au sud, il va trouver la période des récoltes et souvent il fait des dégâts parce que quand deux ou trois criquets montent sur un épi, il ne laisse pratiquement rien. Il grignote les graines et quand il gratte ça en surface, les graines pourrissent naturellement. Mais Donc les, les dispositions sont réellement prises en compte. Les, euh, dispositions qui sont, prises, moi, c'est que j'ai suivi, parce que moi, je relève de la direction de la protection des végétaux. Je sais qu'on avait des collègues qui sont restés plus d'un mois sur le terrain en train de faire les traitements phytosanitaires, avec des avions de traitement, avec des camions de traitement. Mais comme je l'ai dit, c'est toute la bande, quand vous prenez des Filingués jusqu'à Zander, et toute cette bande-là, quand les sauterelles arrivent en même temps, il est extrêmement difficile de faire face à tout ça en même temps. Donc voilà ce qui fait qu'il faut intervenir dans des zones où le stade des cultures permet de sauver quelque chose, pas dans des zones où déjà oh, là, où les, cultures sont presque à maturité, on conseille plutôt aux producteurs de couper rapidement, de récolter pour pouvoir mm. engranger des choses, parce qu'on ne peut pas tout traiter. Mm. on a la chance qu'au Niger quand même, on a cette grande expérience d'avoir des avions de traitement qui interviennent même souvent dans les pays de la sous-région qui n'en ont pas. donc sur ce point, l'État sur, sur, ce point, l'État fait fournir vraiment des efforts. c'est euh. vrai que c'est pas suffisant comme on le voit parce que euh, quand ça arrive tout d'un coup, vraiment les invasions acridiennes, c'est quand même dramatique. Mm-hmm. Et vous ne pouvez pas expliquer à un producteur ou à l'échelle d'un village qu'ils sont dans une situation où les sauterieux sont là et qu'on ne vienne pas sous prétexte que l'avion est en train de traiter ailleurs. Mm-hmm. Donc voilà ce qui se passe. Ce que on est débordé quand la situation est généralisée et ce qui fait que ça peut faire des dégâts. Mais le déficit qu'on a, le déficit, si déficit il y a dans la plupart des régions, c'est que les gens n'ont même pas pu s'aimer jusqu'en août. Or, il aurait fallu s'aimer au plus tard vers le 15 juillet pour pouvoir espérer récolter quelque chose. Hmm. Là, quand euh, vous prenez les zones comme Difa ou Tilaberi, en tout cas la plupart des zones déficitaires, ceux qui n'ont même pas pu semer en début des, saison saisons de pluie. Et alors, il y a ces dernières pages, cette dernière page, c'est la page noire de l'année, hein, parce qu'il faut le dire, euh, c'est ces affrontements qui ont opposé le 1er novembre dernier agriculteurs et éleveurs à Bangui, dans la région de Tawa. le ministère de l'Intérieur faisait un bilan de 18 personnes tuées et 43 autres blessées. En quoi est-ce que le conflit agriculteur-éleveur, est-ce qu'il y a des choses qui sont entreprises réellement pour mettre fin à, ces, cette opposition agriculteur-éleveur Ça, là, c'est euh, lui coller même l'étiquette conflit agriculteur-éleveur, c'est en fait une erreur parce qu'il ne, ne, résulte pas des dégâts dans les champs, il ne résulte pas de conflits champêtres en réalité. C'est un problème communautaire qui est arrivé, c'est en plein village, c'est en ville que le problème est arrivé. Je crois que c'est regrettable, c'est tout à fait regrettable. Cela relève un peu de l'obscurantisme de nos producteurs ou de nos populations dans certaines régions, où les gens ne font pas le surpassement de soi pour supporter certaines... Où souvent aussi, il y, en a qui attisent le feu pour euh, créer des situations regrettables qui sont comme celle-là. Mais je crois qu'il y a beaucoup de sensibilisations qui sont menées un peu partout avec les producteurs, avec les organisations des producteurs, avec les autorités. Je crois qu'aujourd'hui, les problèmes champêtres, les conflits agriculteurs-éleveurs liés aux champs, il est de plus en plus rare. Et ça, il faut s'en féliciter. Merci. On va donner, on va permettre à El Mokhtar de conclure. Quelles sont les perspectives que le RECA prévoit pour 2017 euh, pour qu'il y ait, même s'il y a un déficit, euh, qu'on puisse les solutionner rapidement Bon, euh, je pense que <laughs> en relation avec les autres acteurs, bien sûr. Le est un acteur parmi tant d'autres. Hein. Oui, absolument. Mais simplement, il faut dire que nos résolutions pour 2017, c'est l'information agricole. L'information agricole. Un homme informé agit, un homme informé agit, un homme informé est prévenu, un homme informé sur le prix des marchés prend ses dispositions, un homme informé euh, peut être formé également à travers le conseil agricole. Donc, euh, le conseil agricole, le financement, et euh, le développement des marchés, des infrastructures. Nous pensons que c'est des éléments dont a parlé Manu tout à l'heure qui font, qui concourent au développement de nos filières. Il euh, n'y a pas de secret. À Côte d'Ivoire, si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est quelque chose, c'est à cause du café cacao ce n'est pas à cause du pétrole. La Côte d'Ivoire est un pays producteur de pétrole. Et le Niger peut faire de même Le Niger est un pays producteur d'uranium, mais le Niger a plus que l'uranium. Parce que les ressources euh, agricoles sont les ressources les plus durables. Les plus durables pour nos enfants, pour nos populations. Et pour satisfaire tout le monde, Il n'y a plus de conflits agriculteurs et dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est peut-être euh, un conflit, comme l'a dit Manu, mineur, mais sur des raisons mineures, mais qui peut être également lié à des questions de ressources. À des questions. Merci beaucoup pour cette conclusion. Sur les ressources naturelles. Merci. voilà, nous euh, sommes à la fin. Je n'ai pas fini. Attendez, je voulais simplement dire que <laughs> Vous avez trois secondes. Pour les des valeurs agricoles, c'est important pour le Niger. Voilà. Merci beaucoup, M. El Mokhtar, pour cette conclusion. Euh, vous nous avez suivis depuis Dosso. Vous êtes du réseau des chambres d'agriculture RICA. Et merci à vous, M. Manoubadier, qui a fait le déplacement. Merci à vous tous. Bonne soirée.